Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance voler, merci de du like, merci de d'abonner, merci également du de du baisser les commentaires. J'espère que nous contente comme l'équipe nationale du Sénégal qui actuellement est très motivée pour les grands mots du quart de finale avec cette image de Keita Baldeyawo et de Pape Matarsa. Dañuy tambalé de kay bi confrère Stade ak une première en Cannes depuis 2002. Donc Lolo de def seen xët Côte d'Ivoire, Mali, donc deux favoris mis à terre, Sénégal aussi qui nga ramené moy Sadio à Valé Badou Touré. Nous wax aussi 16 lions ont galopé hier hier. Report total pour Sadio Mané. était présent, Balotouré absent. Donc nous avons aussi Ismaël Ismaïla avec nos confrères de record Bakary Sissé, ak Mor Bassine Niang yéen kay bi di les Lions affrontent la Guinée équatoriale l'Égypte sur la côte sort la Côte d'Ivoire donc le euh, leur quart de finale yi nga Sénégal mi ko qui tient des propos choquants sur les Africains mais également Gaï, respect aussi à ce jour hein. on lui souhaite bonne chance pour le reste également il a beaucoup mouillé le maillot comme yeneen joueurs équipe nationale du Sénégal mais la mauvaise nouvelle gars ça vient de Fodé Ballo-Touré qui serait forfait pour trois semaines ndax dafa am déchirure au niveau des adducteurs selon les informations bi nga xam ne yéen kaay bi di stade relais. aussi de sources sûres moom euh, fi mu ne nii boo moytuwul li ci CAN bi du jouer donc Aliou sera privé d'un de ses arrières gauche mais quand même les Lions se sont entraînés hier hein, pour tamit les bonnes nouvelles ki nga xam Ismaël Assar. il était aux entraînements il s'est bien entraîné joué na bu a entraîné ak nga aussi Momoy mooy Kouyaté de même que Pape Matar Sarr bi gars yi inquiétude mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'Ismaël Sarr, petit à petit, il retrouve donc ses automatismes, comme King Ngisni également dit Cherou Kouyaté. L'équation que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose, moi, est-ce que Cherou Kouyaté, Mingham nga xamné dañ ko un ci passé ndax cumul de carton du premier tour, Ali va-t-il reconduire au milieu de terrain ou bien il va laisser donc jouer un autre joueur En tout cas, l'Olga le gars est di xool actuellement c'est la grande interrogation Darcher, Cheikhou de Boko ci 11 bi wala boog Ali Cissé maintenir li nga xam ne moom la amoon ak match bi l'équipe du cap ce sont des questions que les gens se posent Ali seul à la réponse moom rek am euh, réponse bi moo ci tontu donc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le 11 du Sénégal l'autre fois avait fière allure On a un match bu ah, mais aussi quelques tops à quelques petits peu de flops qui mais quand même ce qu'il faut reconnaître c'est que Pape Alassane a tenu son rang de même que la majeure partie des joueurs on espère également que Idrissa et qui a ramené aussi moi Boulaye Dia jeu aussi qui dit Bambadia est-ce qu'Alassane il va le mettre à la place de Boulaye Dia ou pas on ne sait pas en tout cas Bambadia qui a marqué des points lors du dernier match avec Ismaël Sarr beaucoup disent que ak mais aussi qui a j'attends beaucoup de Idrissa Ganagé, Idrissa qui qui qui fait des matchs corrects mais pour qu'il nga xam qui euh, euh, donc Aliou Idrissa Ganagé, Gueye au niveau parce que tu loolu lay les mom, et il l'espère Inch'Allah et feront son nécessaire. Donc les Lions qui se sont entraînés, comme je l'ai dit, ils vont jouer à Yaoundé, donc au stade donc de Amoudi Aïdjo, fallait y jouer un match c'est ak euh, adversaire quart de finale di dina kanam, mais sachez qu'aujourd'hui le joueur, le joueur du Sénégal, la quasi-totalité à part bien entendu les Balotouré ñoom ñëpp entraîné wu nañ ak Sadio Mané bi nga xam actuellement il est au repos tey le repos di jeex dans le nom il doit reprendre les entraînements demain Sadio Mané suite à au choc brutal bi nga xam ne moom la amoon ci match bi passé mais entraînement bi démb ki si gën a wane boppam Bamba Dien, bi nga xam ne dugal na ci confrontation bi ñu doon def attaque défense il a beaucoup marqué il a marqué des points en tout cas on sait que aujourd'hui le Sénégal peut compter sur lui la Guinée équatoriale donc la revanche entre le Sénégal et la Guinée équatoriale dina ci def beneen sujet wax leen aussi déjà la confrontation ak aussi l'histoire historique de ces deux équipes mais la Guinée équatoriale qui a montré beaucoup de physique hein, physiques physique la ñu Guinée équipe Mali c'était une équipe malienne très valeureuse mais quand même ils ont échoué ci li comme quoi série tir il faut encore préparer Lors mes mes fatalités, Sénégal Cameroun 2017 ni Cameroun defoon yóbbu ñu demi-finale fin ñu ba gagné donc le Sénégal la Guinée équatoriale donc ce sera le match de euh, des quarts de finale par rapport à li Modium, demi-finale wara dajek un adversaire mais actuellement donc le match est prévu gars le euh, dimanche 19h lay GMT fa nga xam stadium Yaoundé donc Falay Amé, quart de finale bi comme vous pouvez voir sur ces images À l'ICC et le Sénégal qui seront attendus gaynde des dañ leen di xaar objectif bi ñu wax nañ ko mooy dem jël coupe bi incha ravi avec beaucoup de euh, certitude si suñu jeu bu fekkee ne gën nañ ko développer Pape a convaincu espérons que mi dynamique bi dina et aussi ki nga xam il a très bien convaincu le duel arabe entre bien entendu l'Égypte de Mohamed Salah et le Maroc de Ashraf Hakimi un match qui promet un hein. match bu neex la match bu metti la entre les deux voisins arabes l'Égypte qui pour la septième fois n'a pas perdu aux séries de tir au but donc au ngeen koy donc Sénégal Guinée équatoriale Gambie euh, Cameroun Égypte donc Maroc euh, Burkina Faso Tunisie euh, Sénégal équatorial donc qui gagner de Sénégal Guinée équatoriale qui qui qui gagne de Burkina Égypte Sadio il va bien il va très bien malgré des gars non Sadio ne va pas jouer et tout non Sadio pour l'instant il va bien il se repose gars il se repose rien de grave on espère juste qu'il il sera en forme par rapport au match de mais rassurez-vous il s'est il s'est reposé deux jours il va reprendre papa Alassane aussi gars comme je dis aujourd'hui il a montré que ne il a sa place dans cette équipe ñi ñi nag Pape Alassane Gueye wala Pape Matar Sarr comme je dis Pape Matar Sarr il est bon il est bien mais gars yi dafa jóge ci Covid dafa amoon blessure bu ndaw et aujourd'hui comme situation nuy peut-être mën na remplaçant je ne sais pas ça appartient à l'UCC. mais tel quel je pense que ne soit Pape Alassane Gueye au départ wala l'UCC, s'il veut prendre des risques qui a été le mercato avec ki ngeen di donc ki nga Momoi, excusez-moi le joueur de la Juventus Dybala bi nga xamné Manchester City da ko bëgg a jënd mais dafa ne ko mu signé contrat qu'il part libre mu proposer ko salaire bu 10 millions Adama Traoré le joueur de Wolverhampton Adama Traoré bi nga doon wax ne club yi nekk ci mom bëri na Tottenham n'est na si ñoom ci mom Tottenham nekkoon na ci kawam mais finalement selon les dernières informations Adama Traoré il va retourner dans sa maison au FC Barcelone fa lañ ko former fa la la ta muy dem Waliyaani fa nga xam ci Angleterre Adama Traoré maintenant les dépend noonu ci li nga xam mooy discussion yi war am diggante Dembélé ak ki nga xam mooy Barça bu fekkee trouvé wuñ ko Adama Traoré il est bien parti pour dem fa Frank Lampard l'ancien entraîneur de Chelsea actuellement gis ngeen ko Everton dañoo dàq seen entraîneur moom la ñuy war nekkal en discussion pour jéem ko jël en tout cas gars yi woy leen di like woy leen di abonné toujours un plaisir de vous servir avec un immense plaisir dia ngeen jëf